C'est un bu pour moi, parce que Ahmad Ba a été mon choix depuis le départ Yalla def luma donc ma ñeu bok ak une créer une coalition bu nga soutenir la candidature d'Ahmad Ba. Ahmad Ba est le candidat idéal c'est le meilleur candidat il est calme il ne veut pas de problème il veut que l'avenir de ce pays là ku ko Gumko. parce que lu muy il a il a beaucoup géré et et pourquoi pas la présidence c'est la grande famille il y a une manière de faire le jeu se prépare dans la chambre et on sort dehors les gens doivent étudier qu'est-ce que le quelle serait l'action de tous ceux qui sont partis font partie ceux qui ne sont pas partis aussi font partie. Nianis s'est écrasé déjà d'avance. Je vous, vous garantis la victoire dans la commune de Nianis.